nga wax sank ni euh, amna ci ay questions yo xamanteni ni mom mo gëna urgente actuellement euh, donc bokku na ci euh, dundugu cher gi nga xamanteni ni dundugu tudd def nañ ci ay jéego certes mais dafa melni lolu dafa gëna a problème yi parce que wañi gi nga xamanteni ni def nañ ko appliquer ko ci prix yi danaka amul ben commerçant bo xamanteni ni dang koy jëfé au contraire li ñu gis moy ay njëg yo xamanteni ni sax danaka dafa gëna a sénégalais n'est que toujours dans la souffrance euh, politique yi n'est que toujours ci les débats politiques politiciens. Mhm. je non non non c'est le gouvernement qui est dans dans dans la diversion ñom ñu sart que débat politique politicien Bon fi dégg ñom la. bon fi dégg rek ñom la. c'est-à-dire que Ousmane Sonko mon mon et je suis prêt à débattre avec tout le monde. man ne on t'a pas demandé de débattre avec tout le monde on t'a demandé juste de débattre avec les représentants de tout le monde. et c'est plus facile. il n'aura pas perdu du temps. Et il ne va pas débattre avec Mustafa Wad. Il va débattre avec les représentants de tout le monde. C'est ce qu'il refuse. Préférence nationale, biñ don Scandale bi am Azer gis mhm. Est-ce que c'est ça la préférence nationale? France dégage, Toubab dégage et après maintenant on fait on fait on fait appel au Toubab. Hmm? Au détriment des Sénégalais. Gis nga ñi ana amuñu lenn luñu wax Sénégalais yi. Dama les mesures phares qu'ils avaient prises yi nga xamné mom lañ doon nañ def nañ def une évo une évaluation à mi-parcours ba xol ndax lignes bi fiñ ko yóbbu won mu nga fa batay tey bi fiñ ko yóbbu won mu nga fa batay mm. parce que soukar sek yàpp bi mom ken xamul fan la nek les Sénégalais souffrent énormément et ils souffrent dans le silence. Mm-hmm. au même moment leur premier ministre nane opposition bi ñemewu ñoo genn mm-hmm. c'est-à-dire que nous voulons leur dire que c'est pas à eux de nous définir la trajectoire de notre opposition. Mm-hmm. nañ nañ attaqué aux urgences des Sénégalais te il faut qu'il qu'il fasse qu'il fasse face aux Sénégalais wax leen exactement que ñun liñ doon wax ndekete mënuñ Sénégalais ils dañuy muñ D'autant rek du temps les marchands ambulants voulaient voulaient faire une marche mm-hmm. on les a dissuadés ñun ñu bàyyi mm-hmm. bàyyil ça ne peut pas continuer comme ça parce que ventre fin n'a pas d'oreille les Sénégalais ont faim effectivement ils ont faim Anna waaw au delà de euh, euh, dundu gu cher gi ñu gis euh, yeneen i secteurs yoo xamante instant yi ñoom itam ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu métti gis nga le secteur bu transport li nga xamante ne ni euh, dund nañ ko diggante bi nguur gi accès fii ak léegi euh, sànq rek ñi ngi wax ni El Hadj Malick euh, dal dinay génn di annoncé nii daañu ubbi enquête ci l'accident bi nga xamante ne ni moom moo am démb ngir justement mën a situer les responsabilités balaa ñuy wax lan mooy solution il faut ñu xam lan moo nekk derrière les accidents yi nga xamante ne nii dañu koy faral di gis ay nit yu bëri di ci ñàkk seen bakkan ban jàngat nga ci am ak lan nga jàpp ni moom à l'origine euh, euh, d'abord que les sénégalais que les sénégalais waruñoo déglu sax El malik Ndiaye parce que El malik Ndiaye mom moo accusé de Mansour Faye que mom dafa démissionner parce qu'il y avait des accidents oui mais Ken waru ko déglu il doit même pas être le ministre des transports pourquoi je ne souhaite pas qu'il démissionne hmm. mais il doit tirer les conséquences de ce qu'il avait dit à l'autre là à Mansour Je j'ai pas dit que mon mon mon mooy def accident hein, parce que Sénégal sénégalais beaucoup accident am mais mon moo ko accuser Mansour Faye c'est pourquoi mané mané même si nous def politiques, qu'on soit vraiment sincère dans tout ce que nous nous faisons et ce que nous disons Mono mono jël ay accident am ay nit qui ci ba paré nga ci accuser jàmbur diko nan yow a démissionner alors que mon bim ñëwé ñëwee ba ñaata nit c'est pour la première fois a un crash d'avion au Sénégal avion bi daanuwul le temps est fait aéroport international euh, Blaise Diagne. sortie de piste. Ouais, sortie waaw c' la même chose rek C'est la même chose sortie de piste accident avion la rek léegi moom il avait dit que dina am une enquête on on va ouvrir une enquête ana enquête ba kon bii paa bu waxaatee on va on va ouvrir une enquête ça. dañuy xaar rek que ça sera ça sera une enquête de plus. xam nga ce qui est normal mooy nañ wax sénégalais yi li am ko ñoom dañuy jàng ay stagiaires lañ stagiaire nag day def ay erreurs. <laughs> stagiaire bo gis day def ay erreurs ñu corriger malheureusement nak ñi amuñu sax ñu leen corriger c'est ça le problème principal man dama gis ne populisme ak bëgg a jot nguur moom moo leen yóbbee yëpp ils étaient très mal préparés. non mais est-ce que ñàkk nañu. li nga war a wax li nga war a wax Anna mooy. Mm. pourquoi on a démis un DG parce qu'il y a des soupçons de corruption. Hein? Et on n'a pas démis son ministre. Mhm. Alors que tout le monde réclame la démission de ce ministre-là. Mhm l'affaire ONAS dinañ ci ñëwaat. voilà la kon alors euh, euh, par rapport à l'accident... yi euh, lan nga japp ni mom à l'origine c'est vrai que ñi ñi ngi évoquer ay facteurs humains mais facteur technique aussi bokk na ci li nga ni favoriser ay lan nga japp mhm. je suis parfaitement en phase avec tout ça il y a des facteurs humains mais il y a aussi des facteurs d'ordre infrastructurel mhm. par exemple vraiment collusion war nañ pas dépasser Sénégal war def les principales actes axes euh, interrégionaux mm. nous avons quand même des des autoroutes. deux voies complètement dégagées loolu la bu ko même buñu amé accident ça ne sera pas ça ne sera pas aussi mortel mais bu faites né dénga dénga jël par exemple la route nationale numéro 2, wala la la route nationale numéro deux mhm. vraiment dafa trop par rapport par rapport à à à deux voies c'est trop petit franchement loolu mom ce n'est pas le régime ce n'est nanga mais quand même le régime mom c'est c'est lui qui est détenteur de la sécurité des Sénégalais et de leurs biens maintenant loolu lañ leen di xaaree mhm au point de vue des infrastructures, nous avons maintenant les, nationales 1, 2, 3, 4. Nous avons au moins 4 voies. New York. New York. Comme nous avons un projet, au moins LOL, c'est un projet ils peuvent, inaugurer ça. Comme nous avons inauguré un aéroport, un aéroport, université, mhm. terre def nañu ay BRT ñom nañ def au moins route nationale yi nañ ko yaatal bu pare inaugurer ko ne lii au moins c'est nous qui l'avons apporté au développement du Sénégal d'accord alors euh, parmi li nga xamante ni euh, ay jafé jafé la batay sénégalais diko dund tudd nga fi légui immigration clandestine euh, gis nañu

situation très triste boo xam ne Sénégal mi ngi koy dund waaye euh, li ci gëna a jaaxal euh, nit ñi moy mutisme bi nga xamante ne les autorités wala bok les dirigeants yi nek sur place ñu koy manifester face à cette situation là. Mmh. c'est un c'est un c'est un silence coupable c'est un silence coupable parce que parce que lolu yëpp lolu yëpp ana ça reflet c'est c'est le reflet d'un sentiment de déception bo xamné mom la jeunesse bi am jeunesse bi dañoo pas yaakaar ci ñi ne ñi mom buñ ñëwé te ils ont influencé leurs parents ils ont fait des campagnes de communication extraordinaires pour que le projet arrive arrive arrive arrive au pouvoir fi problème bi que les moy biñ waxé né projet bi amul biñ waxé né vraiment projet bi amul dañ koy bind ça sera publié au mois de septembre septembre ak nii léegi mu dé té batay projet amul mais lolo ça ça donne un sentiment de frustration mhm. de déception et de découragement bu fekkee ne nag yow da nga cee def loo xam ne waroo ko woon def joxe ci sa bakkan joxe ci sa ci sa emploi sax des fois mhm. tu te culpabilises toi-même doko doko doko mon doo wax sentiment boobu lay jeunes yi film fi mu nekk nii te na agu ñoo wax ndax Bo waxee ñu ne ah mais ils n'ont fait que encore cinq mois nañ leen may ba ci kanam mhm. mais cinq mois de souffrance c'est c'est c'est trop kessé la c'est-à-dire que le tableau général du Sénégal cinq mois après l'alternance moy c'est un tableau très sombre alors que toutes les ressources sont là ana li nga xamul que li Sénégal soxla ci xaalis yep mo ngi fi tout ce dont on a besoin comme moins mo ngi fi mais dañoo xamul fan lañ koy def xamuñu fan lañ koy def parce qu'il n'y a pas un référentiel de gouvernance c'est très grave Maintenant, si vous dissoudre l'Assemblée nationale ce choc institutionnel là où ajoutez à cette situation là quel sera quel sera le visage du Sénégal en 2025 réfléchis bien te fait que état de grâce bi parce que jusqu'à présent il donne un état de grâce au gouvernement actuel donc préparons-nous préparons-nous à vivre des difficultés si jamais nous dissoudrons l'Assemblée nationale va parler toogaat nous n'avons pas un référentiel de de de de gouvernance officielle parce que ñoom projet la ñuy wax te kenn ci ñun mësul gis projet bi kenn ci ñun mësul cee gis benn ligne boo xam dañ koo bind euh, projet bi mom la ñuy xaarandi euh, weeru euh, septembre bi oui oui septembre léegi mu léegi de toute façon ñoo ngi ci le 10 première dizaine bi waaw <laughs> on espère que euh, pour li des ci euh, weer projet bi euh, dina guen mais bu ñu délu ci waatee toujours ci la question de l'immigration clandestine dañu gis ni Amadou Ba démb ci discours bi nga xamantene ni jot nako ko fofu foofu wax na ci jeunesse bi nga xamantene ni dafa gis ni dañu leen wara a parce que justement ñak taxawu bokk na ci li tax ñu ci bari di jël gal yi di tayle sen bakkan tay ñu ngi saxu ci état mu am lo ni mom loy ak ndaw yi parce que tout simplement ñom les mais opposition euh, encore une fois ban posture la wara par rapport ak yenn ci ay difficultés euh, sénégalais euh, dans leur généralité d'abord bi Amadou Ba d'abord il a il nous a demandé d'observer une minute de silence. Mm-hmm en l'honneur des victimes des naufrages mhm. Il nga xam émigrés clandestins mhm. qu'est-ce qu'il a dit Nous ensemble nous allons chercher des réponses aux problèmes de jeunesse mhm. cela signifie qu'il est sage Vous faites qu'on était un fougueux un populiste Il a qu'il rek joxe une solution mais même s'il a des solutions, de ensemble avec la jeunesse, nous allons chercher des solutions à leurs problèmes. Mm-hmm. C'est ça. C'est-à-dire que Amadouba invite la jeunesse à des démarches inclusives. Écouter tout le monde et parler avec chacun. c'est ça la sagesse. Beaucoup là, nga des solutions nga xalaatal ay problème yow ay problème sa problème solution bi nga ko bi ko parce que xam nga ne lii du problème du problème mu aana du problème du problème problème doon bindal sama ah oui ba problème du problème sénégalais yi tout entier c'est ça qui a qui a qui a qui a tout bloqué il n'y a pas une démarche inclusive partagée Lolo mhm. maintenant nous invitons la jeunesse à une démarche inclusive pour trouver ensemble des solutions à nos problèmes parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Mhm. Alors euh, nous allons euh, peut-être voir ci euh, beneen ponk pour une histoire de reddition de compte de de mhm. gis ni yenn un ancien anciens dignitaires un régime bi fi jóge mhm. gàntal nañ leen ñu qui Sénégal c'est le cas de Lat Diop c'est le cas également de Abdoulaye euh, Seydou Sow euh, mhm. donc mi nga xamante ni mom moy vice président bu euh, fédération de foot mhm. donc Demba mu tenir une conférence de presse mhm. justement pour dénoncer ben acharnement bo xamante ni dafa melni règlement de compte bu régime bi fi nek tek seen diganté ak ñi fi nekkoon doon jiite ak Mamadou ak Mamadou Guèye waaw maa ngi koy gis ci presse bi je ne suis pas sûr mais maa ngi koy gis ci presse bi mais loolu yëpp moom bu fekkee ne euh, bon des notes administratives pour interdire à des autorités de de sortir territoire national dey am mais vous faites connaître le jugement que vous prononcé ça sera beaucoup plus démocratique. Mm-hmm. C'est ça te man le jugement prononcé parce que l'administration bi un chef. Mm-hmm. te son chef dafa jàpp ne fi nekkoon yëpp dañ dañ leen a parce qu'ils n'ont rien foutu de bon c'est des voleurs c'est des tout donc beaucoup kooku jëlee les des décisions nous ils sont des décisions politiques tout simplement alors qu'à côté de lui il y a eu un scandale la LONAS comment s'appelle l'ONAS euh, l'ONAS pas la LONAS l'ONAS office national de l'assainissement du Sénégal il y a eu un scandale il y a Sénégal un scandale, xam nañ ko wax nañ pourtant il ne il pas il il n'a pas il n'a pas limogé le chef mm. il il ne l'a pas interdit de sortir du territoire national donc qui pour le plus pour le moins vous Kene, il est vraiment imbu d'une volonté de rendre justice mhm. il doit commencer par sa porte d'accord donc vous faites partie de ceux qui soutiennent que euh, Cheikh doit être démis de ses fonctions non seulement il doit être démis de ses fonctions mais il doit justifier en face des Sénégalais linco accusé mhm. c'est ça Cherti Tidiane doit être démis de ses fonctions non seulement mais il doit s'expliquer devant les Sénégalais pourquoi Li et c'est tout le gouvernement qui doit, qui doit, qui doit, qui doit s'expliquer. Parce que la responsabilité gouvernementale, elle est collégiale. Mhm. C'est ça. Boulolo Amé, d'accord ou je suis pour la réduction des comptes. Ancien régime, Kouti Def mhm. tu dois répondre devant la justice. je ne suis pas euh, euh, parmi ces gars-là, non, non, non, on doit faire, on doit, ça, doit passer par perte de mhm. profit amna lo xamné jaaduwul bu ko juge bi gissé ñooñu ils doivent répondre devant la justice té dañ ko wara def la réduction des des des des comptes doit être érigée en principe de gouvernance mm-hmm. lolou man dama cee ànd mm-hmm. mais nag nañ bàyyi justice def liggéeyam c'est pas au premier ministre de dire que diw diw diw moy génn wala diw moy moy moy dugg c'est pas ça euh, d'autant plus que mom il a il a un problème suffisant devant lui bo xamné c'est c'est c'est c'est dans son propre gouvernement mooy la ONAS. oui oui <laughs> en tout mbir la boo xamante ne nii euh, ñu bari ci askan wi lañu ñu cay sàkk mooy.